Voilà, moi, le professeur Cheikh euh, euh, je suis euh, directeur UFR euh, sciences agronomiques, élevage, pêche, aquaculture et nutrition. Donc, pour l'université du Sine Saloum l'âge Ibrahim Agnès. Donc, ce qui est événement habité, donc, nous avons en partenariat avec la section diplomatique publique de l'ambassade des États-Unis au Sénégal. Nous avons euh, attaché culturel bu ambassade bi Vanessa donc qui ko initié ñu avons sur le plan diplomatique invité muy professeur Ami Green li nga xamni dafa am expérience bo xamni large le ci processus électoralu Amérique donc so gisee présentation bi nga xamni ni gratifié woon nañ euh, ak audience bi fi taxaw nga université en partenariat avec section Bob, nous avons une mission lu service à la communauté comme l'université bi dafa ci Sine Saloum Kaolak, Fatik ak Kafrin, donc lépp loo ci service à la communauté nous avons ne pédagogie bi recherche université bi dañ ci audience membre parti politique muy ay leader d'opinion muy ay étudiants donc muy la jeunesse muy aussi les femmes mooy aussi euh, des femmes leaders ak ñi bok ci société civile bi ak journaliste bi donc gis ngeen sax question yo xamni amna ay journalistes dañ koy poser rek nga xamni li ñi ay profil journaliste lañ donc so xolé audience bi largeoon na té loolu li tax ñu jublu ko moy dañu bëgg ci communauté bi ni ñi contribuer ci formation xalé yi nous bëgg aussi ci processus électoral buy am ak émergence bi nga xamni yaakar nañ ko ci jeunesse bi nit ñi malgré sen appartenance politique donc ñu mëna tok di discuter li nga xamni ni ñoo ko ñu mën ci ant donc lool mo taxone ñu sawar ci donc ànd ci ak attaché culturel bi nga xamni échanger na ci ak Aminata madame Samb donc motax ñu leen remercier ci opportunité bobu ñu jox ba nga xamni permettre nañ jël ben expert nous avons le soo politique euh, processus électoral américain Amérique de maîtriser nga avons accompagné en termes d'expérience, des dirigeants américains des dirigeants français. Oui, euh, en tant qu'ambassade, nous sommes ravis d'avoir professeur Amy avec nous cette semaine. Euh, pendant la semaine, nous avons eu l'opportunité de parler avec euh, des universitaires, des membres de la société civile, euh, des représentants politiques et les médias pour partager davantage sur le système électoral américain. Et euh, à travers ces échanges, nous avons eu l'opportunité de, parler euh, sur les, les, institutions et les processus euh, euh, démocratique et échanger des, idées, des idées sur euh, l'importance de, la liberté d'expression, le droit de vote et l'importance de l'engagement citoyen et la participation. Nous nous aimerions discuter ce sujet parce que le système électoral américain est un peu compliqué et les gens ont beaucoup de questions sur ça. Et avec ce programme, nous espérons de mieux expliquer le processus et euh, partager ce qui, ce, ce, qui que nous avons en commun, mais euh, en même temps les, différences entre les deux. Oh, j'ai fait, remarquer l'enthousiasme et l'engagement des jeunesses à, à Et c'est vraiment impressionnant et ça me donne euh, espoir pour l'avenir du pays. Alors, moi, j'ai remarqué d'abord la mobilisation, c'est-à-dire que c'est une période très chargée de rentrée universitaire scolaire. Et donc, la jeunesse était là euh, très fortement, euh, euh, même pour organiser, pour être là, pour poser des questions. J'étais vraiment très impressionnée par la qualité des questions, par, l'écoute extrêmement attentive, assidue. et en effet, il y avait des questions très, très fines, très approfondies qui ont permis d'aller très loin dans la discussion. Alors, j'ai eu la chance d'être invitée par l'ambassade des États-Unis, mais justement pour, dans les optiques de, l'optique de, discussion que, disait Vanessa Arnest à l'instant. Et personnellement, je suis ravie d'être là parce que ça me permet en effet de partager sur un système parfois très complexe qui suscite beaucoup d'enthousiasme, mais surtout, euh, ça m'a permis de faire de très belles rencontres avec euh, des différents membres de la société sénégalaise euh, et des membres différents de la société civile, politique, etc. Et donc finalement, j'ai l'impression d'avoir transmis des choses, mais d'en avoir appris encore plus finalement. Eh bien oui, eh ben oui, je regarde le, professeur euh, à, mon côté qui, avait œuvré euh, vraiment de façon extraordinaire en lien avec cette jeunesse pour que la rencontre euh, puisse avoir lieu et, avec autant de participation, autant, de, autant d'enthousiasme. Et donc c'est vrai que j'étais très honorée d'être là et puis vraiment très honorée de, de pouvoir discuter avec, avec les jeunes ici aujourd'hui.